Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse de Sud notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans ce numéro, tout d'abord, nous allons parler de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août 2022. Nous ferons également un zoom sur la célébration du le 11 août dernier des 113 ans du CICR. Ensuite, nous aborderons la question des inondations qui ont causé à la date du 17 août 2022 la mort de 33 personnes au Niger, 46 personnes blessées et 69 256 sinistrés enregistrés selon la Direction générale de la protection civile. Enfin, nous parlerons de la deuxième édition du camp chantier international de solidarité organisé du 12 au 18 août dernier à Tilaveri euh, par les scouts du Niger placé sous le thème euh, Paix et sécurité au Sahel, engagement des jeunes pour l'entrepreneuriat et la résilience face au changement climatique. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Hassan Boukar, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une fille Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue et chers invités, merci d'être venus. Le Niger, à l'instar des pays du monde entier, célèbre ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire sous le thème Il faut tout un village. D'où l'importance de l'effort collectif pour répondre efficacement aux besoins humanitaires. Besoins humanitaires dont il est question. Alors je commence par vous, Madame Memouna Diado. Quelle appréciation vous faites de la situation humanitaire ici au Niger euh, merci Nafisa. La situation humanitaire, euh, ce que je pense de cette situation humanitaire ici au Niger, je pense que c'est c'est une grande évolution. Je pense que de tout le temps, les, ceux qui sont censés aider, en tout cas mhm. dans le secteur humanitaire, sont en train de le faire, bien que des fois on suppose que euh, c'est minime ceux qui sont en train d'interjecter euh, dans cette situation humanitaire. C'est-à-dire euh, les acteurs, les ONG qui sont les ONG de développement qui sont présentes. encore, à être renforcé. Oui, à être renforcé, justement, parce que en fait, on ne cessera de dire que c'est vrai, ils font de leur mieux, mhm. mais à côté, il faut également qu'on essaie euh, de redoubler d'efforts par rapport euh, à l'enveloppe allouer donc euh, à cette situation humanitaire. Mm. Mais sinon, concrètement sur le terrain, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons qu'ils sont euh, chaque jour, chaque euh, minute, chaque instant aux côtés mm-hmm. donc de ces personnes qui ont besoin de ces aides-là. Mm-hmm. Donc, on ne peut que les, les, encourager à aller de l'avant. Surtout vu la situation sécuritaire qui prévaut, ils vont au fin fond. Ils vont au fin fond là où nous ne pouvons pas aller. Mm. Ces, ces, personnes risquent leur vie pour aller jusqu'au fin fond donc, euh, de, cette, euh, de, de certaines contrées euh, du pays mm. pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans l'indisponibilité donc d'avoir certaines choses et de les aider également moralement, physiquement mm-hmm. et tout matériellement. Et je pense que c'est déjà euh, beaucoup de choses. Justement, l'objectif même de la célébration de cette journée, c'est de faire la lumière sur les actions de ces personnes qui, sont, qui vont qui, assister, assistent à ces personnes en besoin. D'accord. Alors, euh, vous, Monsieur Hassan Boukara, je, le disais, le Niger continue, on le sait, d'être secoué par, secoué par des crises sécuritaires et un cycle de violence aussi dans les zones frontalières avec le Mali, le Burkina, donnant lieu donc à, l'intervention d'acteurs humanitaires. Vous, de votre côté, euh, de quelle assistance vraiment euh, ces personnes affectées ont besoin Merci beaucoup. comme vous le dites, hein, ces dernières années, en tout cas je peux dire depuis presque une décennie aujourd'hui. Le Niger est secoué par les crises auxquelles vous faites allusion et du coup, Beaucoup d'acteurs humanitaires se sont engagés aux côtés du Niger pour apporter assistance aux populations nécessiteuses. Mhm. Je pense que les, demandes, les besoins dépendent des zones. Euh, par exemple, euh, dans la région de Tillabéri ou de Difa. qui sont les deux régions les plus affectées. Voilà. On a vu beaucoup de populations déplacées. Euh, ça peut être des réfugiés venus des pays voisins comme le Mali ou le Nigeria ou des déplacés internes. Euh, parfois, il fallait créer un, camp, avoir euh, un minimum de matériel, des tentes, mhm. parfois installer des points d'eau de façon à répondre aux besoins de ces populations, mhm. ou parfois distribuer des vivres mhm. pour euh, aider ces populations, prendre en charge les enfants sur le plan sanitaire ou les plus vulnérables, etc. Je pense que euh, ces acteurs ont, donné des réponses multiformes à la crise mhm. euh, en fonction de, la demande des, populations. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est euh, parfois en prenant beaucoup de risques. Hein. Effectivement. certains d'entre eux ont connu des attaques. Je pense que par exemple, la main de à un moment, je ne me rappelle plus si c'est la Croix-Rouge mm. euh, qui a été victime d'attaques. Et, euh, les véhicules même de ces humanitaires ont même fois été enlevés, les acteurs également, oui. Voilà, et mm. donc euh, c'est vraiment des, des, des, zones difficiles. certaines des zones dans lesquelles s'engagent sont vraiment des zones difficiles. Quoi. Et mm. donc, c'est vraiment un travail noble qui est fait par ces, ces humanitaires. Maintenant, euh, ça pose aussi euh, quelques débats euh, pour moi. Par exemple, si vous prenez le, la région de Difa, ils se sont installés sur la durée. Hein. Bon, Avec l'avènement de, Voilà, face, à la, face au groupe armé qui, qui intervient dans la zone, au mhm. début, on pensait que bon, les gens sont là juste pour quelques années, mais ça fait dix ans aujourd'hui. Mhm. Et donc, ces dix ans ont forcément aussi un impact sur l'environnement dans lequel ils interviennent. Mhm. Euh, ça peut être parfois des choses inattendues, ça peut être le coût de la vie, mhm. parce que les humanitaires ont aussi la capacité de mobiliser beaucoup de ressources. Et là où ils injectent ces ressources, ça peut avoir aussi des effets pervers sur le mm-hmm. coût de la vie. Mm-hmm. Par exemple, on peut le constater à des fois Oui, mais est-ce que vous, vous êtes d'avis euh, avec Memouna euh, qui, selon elle, euh, il reste beaucoup à faire pour ces humanitaires quant à la question je, je veux dire, ben, ben, là, on n'a pas fini avec la guerre. Et mm-hmm. ce qu'on annonce aujourd'hui Dieu, c'est quand même une situation de crise alimentaire. on parle de 3 à 4 millions de, de personnes qui sont sera Et donc, ça veut dire qu'il y a encore du chantier dans ce domaine-là. Mm. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans les zones où finalement ces humanitaires interviennent sur la durée, mm. il y a toujours un débat sur où s'arrête euh, l'humanité, où s'arrête l'urgence mm-hmm. et où est-ce qu'on trouve le moyen de travailler avec les acteurs locaux, mm-hmm. trouver une forme de collaboration qui fait que lorsque les humanitaires partent, ne faut pas qu'il y ait une rupture forte, il ne faut pas qu'il y ait un vide. Mhm. Il faut bien que les acteurs locaux soient préparés. Voilà, il euh, faut qu'ils soient préparés. Mhm. Par exemple, moi, je me, je me suis toujours demandé est-ce que les humanitaires n'auraient pas dû travailler avec les communes, par exemple dans la région de Diffa, avec les, collectivités territoriales, de façon à ce que quand ils, partent, mhm. cela soit ceux-là soient préparés, qu'ils soient renforcés, oui. Mhm. dans leur façon de travailler, mais aussi les ressources qui sont mobilisées par les humanitaires puissent aider ces collectivités vraiment à tenir sur leurs deux, pieds, comme on l'a dit, mhm. de façon à ce qu'ils puissent aussi être capables de répondre à certaines sollicitations des communautés. Bon, voilà, mais en tout cas, je pense que depuis une dizaines dizaine d'années. Ils ont pris beaucoup de risques, ils se mm. sont engagés sur des terrains là où si l'État était seul, il aurait du mal peut-être à s'en sortir. Les actions donc des humanitaires sont à saluer, euh, bien, qu'il reste beaucoup à faire. Garé Amadou, euh, euh, de votre côté, comment vous analysez les actions des humanitaires ici au Niger moi, comme mes, deux prédécesseurs, je rends hommage à la famille humanitaire mm. au Niger aussi bien, mais à travers le monde. Mm. J'essaie de m'imaginer euh, si les, ONG d'action humanitaire n'étaient pas présentes au Niger, quelle serait la situation Et je me rends compte que euh, ces gens-là sont en train comme ils l'ont dit, de risquer leur vie mhm. pour essayer de partir soulager les populations qui souffrent dans des zones très dangereuses où mhm. parfois l'État n'est pas présent. Parfois l'État n'est pas présent. Et donc c'est eux qui partent pour pratiquement supplier au risque de leur, au péril de leur vie mhm. pour essayer d'aider ces populations-là. Ils font ce travail-là. Ils mobilisent des fonds également. Oui, mais justement c'est là même où se trouve la problématique. C'est-à-dire que chaque année, ils font une réunion qu'on appelle une réunion de, euh, de la famille humanitaire, une réunion qu'ils font avec le gouvernement pour essayer de voir, de mobiliser les fonds pour l'année en cours. Et je vous assure, ils, ils font une prévision, n'est-ce pas, de financement. Sur les, ces prévisions de financement, ils n'ont même pas la moitié. Tout ce qu'ils prévoient là, les gens disent, on va donner ça, on va donner ça. C'est-à-dire, je prends un exemple, on estime ça à 1 milliard. Mm. Et bien sûr, les 1 milliard là, ça c'est un exemple. Ils n'ont même pas la moitié, ils vont avoir peut-être 300 millions. millions. Et c'est avec ça, ils se débrouillent. Tant bien que mal. Mm-hmm. Moi, j'ai visité des camps de réfugiés où les populations se plaignaient. Mais moi, je connais la réalité de ces ONG humanitaires-là. Mhm. Je vous dis qu'on prévoit un financement, ils n'arrivent même pas à avoir ce qu'il faut. Mhm. ils se débrouillent. Chaque fois, ils sont en train de se plaindre. Rien que récemment, je crois, le 6, le 6 juin, ou si je ne m'abuse, je crois que le CICR a fait, avait lancé aussi un signal d'alarme par rapport à, mhm. ces financements-là. On va en, arriver. Mais je pense que euh, euh, ces ONG humanitaires, vraiment, je leur tire mon chapeau. Et il n'y a pas de travail plus noble que celui de se consacrer n'est-ce pas, à quelqu'un qui est dans une situation de détresse ou de souffrance. Lui apporter une assistance, c'est grand chose. Et, le plus, et, le plus noble, comme l'on dit Abba et comme l'on dit Memouna, c'est le fait que des gens soient prêts à risquer leur vie, n'est-ce pas, mhm. pour que justement on puisse apporter le sourire à quelqu'un qui n'arrive pas, ou voilà, qui est dans une situation compliquée. Mhm, mhm. Donc c'est extrêmement important. Je crois que euh, c'est l'occasion pour vraiment féliciter la famille humanitaire et souhaiter peut-être que euh, les financements qu'ils qui, demandent, qu'on puisse au moins le, faire en sorte qu'ils puissent les avoir à 80%. Mais quelle doit être euh, la contribution de, de, l'État euh, pour ces humanitaires, pour leur faciliter vraiment euh, C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit. Mhm. C'est-à-dire que chaque année, il y a une réunion qui se passe, mhm. qui se déroule, n'est-ce pas, où toute la famille humanitaire se réunit mhm. avec le gouvernement, n'est-ce pas, donc le ministère de l'Action humanitaire, etc., etc., avec le Premier ministre même, c'est quoi que c'est à la primature que cette réunion a lieu, où on, où on essaie de discuter, de prévoir s'il euh, euh, euh, si il y a des catastrophes, bon, déjà eh, il y a des catastrophes sur le plan sécuritaire, bon, les inondations, les inondations c'est récurrent, on le sait, n'est-ce pas Déjà on vit des inondations actuellement. Voilà, on prévoit un financement, n'est-ce pas Et on imagine que bon, voilà ceux qui vont contribuer et on dit bon, voilà l'enveloppe pour cette année-là, c'est ça. Mhm. Malheureusement, j'ai dit cette enveloppe-là n'est même pas, en tout cas, satisfaite à moitié. Mhm. Et donc ça, c'est une problématique. Mhm. L'État, qu'est-ce que l'État fait l'État pratiquement travaille avec ces ONG humanitaires, mhm, mhm. n'est-ce pas Malheureusement, on est dans un pays pauvre, euh, n'est-ce pas On n'a pas euh, euh, les moyens de, de, de, c'est-à-dire, je veux dire, d'être de dire qu'on ne veut pas de l'action humanitaire. quel est le pays mhm, Quel est le pays qui va dire. Chaque pays a besoin. quel est le pays qui... Quand il y a eu les catastrophes aux États-Unis, ou, où, je sais pas, les, tempêtes là, ont, saccagé des villes. Mais oui, c'est des pays qui ont envoyé de l'aide, n'est-ce pas quand l'épidémie de Covid a commencé, c'est des pays qui ont, envoyé de l'aide à la Chine. Mhm, mhm. Il n'y a aucun pays qui ne peut se suffire, C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe là, mhm. c'est compliqué, ça désorganise tout. Autant donc de défis et d'enjeux euh, de la, sur la situation humanitaire euh, ici au Niger. Pour rappel, euh, le bureau du Comité international de la Croix-Rouge CICR du Niger a célébré le 11 août dernier les 73 ans de la signature des conventions de Genève qui sont devenues aujourd'hui d'ailleurs les textes de base du droit international humanitaire. Et le thème choisi est la protection de l'environnement en temps de conflit. Alors vous, Mémo, quel lien vous faites euh, avec euh, cette célébration et, le droit, et comment dirais-je, la question humanitaire euh, le lien que je fais, c'est que c'est deux choses qui se rejoignent. Mhm. la question humanitaire et également la question du droit international. C'est à peu près la même chose. Mhm, mhm. Donc il faut d'abord connaître les instruments juridiques pour pouvoir exercer à bien mhm. euh, la question humanitaire dans un pays. Et je pense que c'est vraiment euh, salutaire. Et est-ce que, Est-ce que vous pensez que vraiment ce droit est effectif ici au Niger je ne pourrais dire que c'est effectif ou pas effectif, hmm. mais tout ce que je sais, c'est que même si c'est le tout n'est pas effectif quand hmm, même, hmm. il y a certains points qui sont effectifs et qui leur permet d'exercer comme ils le veulent, en tout cas euh, cette l'aide humanitaire, euh, les actions humanitaires. On, le sait, dans un pays, il y a également des, des paramètres à ne pas franchir. Peut-être que ce sont ces paramètres-là euh, qui sont également sous la coupe de Mm-hmm. et que l'État garde jalousement, mm-hmm. euh, qu'ils n'ont pas peut-être accès à ça. Mm-hmm. Mais quand même, je pense que le nécessaire est fait pour que euh, ces, actions, euh, ces acteurs humanitaires puissent vraiment faire leur travail. Alors, Hassan Boukar, au vu vraiment de la situation d'insécurité qui prévaut dans le Niger, est-ce que vous pensez que vraiment toutes ces personnes en souffrance jouissent pleinement de ce droit international humanitaire je pense que euh, c'est quand même, euh, on parle du 73e anniversaire de la Convention de Genève. Mhm. C'est quelque chose qui date de l'année de la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. L'Europe et euh, le reste du monde a été affecté par les conséquences dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale et surtout la façon dont les populations civiles ont, souffert. On a voulu avoir une base de droit. Mhm qui donne euh, un visage un peu plus humain à la guerre, en disant, même en temps de guerre, il y a des règles, en particulier des règles qui permettent de protéger les populations civiles. Alors, ça semble vieux, mais ce n'est pas forcément bien connu. Mhm. Ce n'est pas forcément bien connu par tous les acteurs. Parfois, c'est connu, ce n'est pas respecté. Mhm. Et donc, euh, normalement, il y a des règles. Euh, par exemple, même lorsque vous déplacez des populations, lorsque les États doivent prendre des décisions, lorsque les, forces armées interviennent sur un terrain, normalement, ces règles doivent être respectées. Mhm. Donc, euh, au vu de la pratique, on peut dire qu'on n'est pas sûr que ces règles-là, qu'on ait vraiment la volonté, mhm. n'est-ce pas, de les, respecter. On peut se demander d'ailleurs si c'est bien connu. Donc, euh, à mon avis, il y a encore nécessité euh, de, comment dit, de former les acteurs qui se retrouvent dans ces terrains de conflit sur les droits humains. Effectivement, faut, pour qu'ils connaissent euh, les bases, les rudiments même. Il faut, qu'ils le connaissent. Et mhm. puis, il faut surtout qu'il y ait aussi une opinion publique sensible à ces questions. Lorsque mhm. l'opinion publique est assez sensible, elle interpelle, mhm. elle joue son rôle, n'est-ce pas elle peut pousser les dirigeants au respect. Mhm. Sinon, quelquefois, l'impression que j'ai, c'est que euh, en temps de guerre, les gens veulent faire comme bon leur semble, comme ça les arrange. Mhm. Donc, il y a Vraiment, voilà, mhm. des normes quand je mhm. vois quand je vois un peu la façon dont on, veut déplacer facilement les populations, moi je, me réfère encore au cas de Tilabé ou de, Difa. J'ai vu par exemple comment on a déplacé de façon autoritaire des populations des zones qu'elles mhm. habitent. Cela prouve qu'il y a une ignorance vraiment des textes. Est-ce qu'il y a une ignorance ce euh, on veut faire ou agir tel que bon nous semble, je me mhm. pose vraiment la question. Mhm. Mais euh, encore une fois, je pense qu'une des clés du succès justement de ces conventions, c'est quand même cette dimension morale mhm, mhm. que les gens ont voulu intégrer, y compris sur le terrain de conflit mhm, au vu des conséquences qu'on a déjà vécues dans la guerre. Et donc, je pense que le succès, justement, de, de, toutes les mesures qui passent à travers le droit international humanitaire sont liées aussi à cette dimension, au fait qu'on veut faire accepter euh, des règles, même à des gens qui sont dans une situation d'animosité l'un vis-à-vis de l'autre, qu'il y ait un minimum de règles morales. Euh, bon, voilà, donc euh, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut encore continuer à enseigner, vulgariser pour que les gens puissent vraiment les connaître. Vous, Garé, de votre côté, comment vous percevez cette question du droit international Oui, c'est, une, question, une question extrêmement sérieuse. Mhm. Bon, dans le contexte nigérien où on fait face à un terrorisme, euh, en tout cas au niveau des frontières. Mhm, mhm. Le droit international humanitaire, je crois qu'au niveau des FDS, déjà, c'est enseigné. Ça, au moins, ça, je le sais. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui ont été faites au niveau des FDS, notamment au niveau de la gendarmerie, de l'armée, etc., etc., sur le droit international humanitaire. Mais l'autre belligérant, comment faire depuis ça Comment faire Voilà, pour expliquer aux terroristes euh, <laughs> quelqu'un qui est complètement aveuglé par la. Voilà. Comment lui expliquer que le droit international humanitaire, c'est compliqué. Mm-hmm. Et donc, c'est pourquoi vous avez des situations où, pendant qu'il y a un conflit qui est normalement, qui est censé être un conflit entre les forces de défense et de sécurité mm-hmm. et les groupes terroristes. Non, non, non. Ce sont les populations civiles qui sont prises à partie, aussi bien à Difa mm-hmm. qu'au niveau de la région de Tilaberi. On empêche aux gens de cultiver leurs champs. On vient dans les champs, on égorge des gens. On vient, on tue des gens. Vous comprenez Donc, ces gens-là, par quel procédé pour moi C'est ça la problématique. On peut leur expliquer vraiment. Le droit international mm. c'est compliqué, Nafisa. Mm, mm, et c'est une, des problématiques. Je ne sais pas. Euh, par quel procédé Mais comment, quelle doit être la part de responsabilité de l'État même de l'application vraiment de, ces conventions Oui, voilà. à des États qui prennent des engagements, qui s'engagent autour de ces conventions, n'est-ce pas Dans une guerre conventionnelle, lorsqu'on a deux États en face, on mm. pense que c'est deux États qui s'engagent sur la question de droit mm-hmm. et où on interpelle chacun par rapport à ses obligations sur les droits humain. humains. Mm-hmm. Bon, les gens qu'on a sur le terrain, ils ont peut-être leurs normes, mais en tout cas, tel qu'on les voit, ce n'est pas ça. Comme Gary l'a rappelé, le niveau de violence qu'on mhm. voit, la façon dont les populations euh, civiles sont directement prises mhm. pour cible. Ah, en tout cas, si on a comme base de lecture le, droit moderne, le droit, occidental, mhm. évidemment, les gens, euh, c'est comme s'ils s'en foutent. Quoi, de, Beaucoup donc reste à faire. Nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse. Selon les données de la Direction générale de la protection civile datant du 17 août 2022, les inondations ont causé la mort de 33 personnes au Niger depuis le début de la saison pluvieuse. Ces intempéries ont également blessé 46 personnes et sinistré 69 256 autres. D'énormes dégâts matériels sont également à déplorer. Gary Amadou, comment vous appréciez ces chiffres actualisés euh, de la DGPC sur les dégâts causés par les inondations C'est toujours euh, euh, un crève-cœur de d'entendre ces chiffres-là assez dramatiques mhm. de personnes qui subissent en tout cas les conséquences des intempéries. Chaque année, c'est presque la même chose. Bon, le dérèglement climatique en est pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'habitue mhm. à ce que chaque année, on puisse avoir des inondations. Maintenant, quels sont les garde-fous que l'État met en œuvre pour que les, catastrophes. On ne peut pas éviter les catastrophes. Vous voyez ce qui se passe en Europe. Vous voyez, je crois que rien qu'en France, les, euh, je crois que c'est des orages qui sont en au niveau des îles, là, mhm, de mhm. saccager pratiquement tous des bateaux qui sont détruits, etc. Mhm. Euh, les, catastrophes naturelles, on ne peut pas lutter contre ces catastrophes naturelles parce qu'on ne peut pas les empêcher de survenir. Ce qu'on peut faire, c'est la peut nature, peut. être quelles sont les <laughs> mesures qu'on prévoit pour que quand ces catastrophes-là euh, interviennent, qu'est-ce qu'il faut faire donc c'est peut-être ça la, problématique. Mais euh, je pense que euh, le Niger a déjà fait quelque chose en créant un ministère de relations humanitaires. Mhm, mhm. un ministère quand même qui est assez pauvre, n'est-ce pas et qui ah, revient pauvre en, d'autres termes. <laughs> Non, enfin, je vais dire en, termes de ressources. C'est un ministère qui pratiquement travaille avec les ONG de mhm, l'humanitaire. Est-ce que vous comprenez Donc, euh, il, faut point chaque. Voilà. lui-même, il a je veux dire, il, opère sur le terrain à travers quelques actions. Mais la plupart du temps, il, est, obligé de mobiliser des partenaires quand il y a des catastrophes naturelles. Et mhm. peut-être que c'est ça qu'il faut souhaiter que ce ministère-là soit doté de moyens plus conséquents mhm. pour que l'on dépend de moins en moins, parce que c'est impossible de ne pas dépendre de, l'extérieur concernant l'humanitaire. C'est impossible. Mhm. Donc, en tout cas, qu'on puisse, que l'État puisse faire les premiers pas avant que les ONG puissent venir. Je mhm. pense que c'est ça qu'il faut, mhm. qu'il faut souhaiter. Chaque saison des pluies, euh, le Niger vit malheureusement euh, la même situation et d'après le centre opérationnel de veille euh, d'alerte et de gestion de crise COVAC, le mois d'août euh, devrait également être euh, très pluvieux et c'est ce que nous vivons d'ailleurs. Et il invite euh, la population à redoubler de vigilance et à prendre les mesures pour prévenir les pertes en vies humaines et les autres dommages sur les biens. Mais Mouna, d'abord, quelle, quelle, analyse vous faites sur la gestion de ces inondations dans le Niger si on sait que plusieurs régions sont touchées telles que le Zender, quelle, analyse vous faites sur la gestion de ces inondations euh, L'analyse que je peux faire par rapport euh, aux inondations dans certaines localités euh, du pays, surtout il, faut pas, il faut souligner que ces Zender et en tout cas la région la plus, touchée, mhm. par ces inondations. Je me dis que, en fait, il n'y a pas de suivi de suivi Il n'y a euh, pas de suivi parce il n'y a pas de. Quand je parle, il n'y a pas de suivi. L'année passée, c'était également des inondations. On était confronté à des inondations. Mhm, mhm. Mais est-ce qu'il y a eu des suivis mhm. pour pouvoir améliorer ou bien prendre des dispositions pour que ces mêmes endroits qui ont été inondés l'année passée ne puissent pas être encore inondés cette année Mais non, mais on constate que c'est les mêmes endroits qui sont inondés et également il y a d'autres aussi qui viennent euh, en tout cas euh, se confronter à ce qu'on Est-ce que c'est le problème euh, du suivi dont vous parlez, la population en tant que telle qui reste sur les quand Je dis, quand je dis c'est un problème de mm-hmm. suivi, mm-hmm. parce que quand, ici, quand je prends par exemple Niami, il y a des inondations et nous savons là où les inondations, on opère ces inondations mm-hmm. s'opèrent. Mais quand on va vers la population pour leur dire faites attention, l'année passée vous étiez sur les rives, vous avez vu les inondations, ce que ça vous a coûté essayez de quitter ces zones avant la saison pluvieuse. Mm. Mettez-vous à l'abri de ces inondations, mais on a comme l'impression que le message ne passe pas. la population fait la sourde <laughs> oreille. On donne des parcelles à cette population pour que cette population puisse retourner euh, dans un quartier ou dans une maison, mhm. peut-être, ou bien sur une parcelle, où mhm. l'État a la possibilité de leur donner des fonds pour pouvoir construire. Mhm. Ces parcelles-là, c'est, l'État est en train de mettre ces, populations, en tout cas, hors du danger de ces inondations. Mais ces populations reviennent chaque, fois, chaque année, sur les mêmes installations inondées. Donc, qu'est-ce que ces populations veulent Puisque l'État intervient et vous, vous devrez sauver quand même votre vie. Hmm. On sait que la mort, on ne peut pas fuir la mort. Donc la responsabilité Mais quand même, la responsabilité est partagée, ici. Hmm, hmm, les populations, c'est surtout les populations qui ne facilitent pas la, tâche aux autorités. Et de l'autre côté, moi, je pense que l'autorité peut sévir d'une autre manière. En faisant quoi, par exemple euh, en faisant quoi en, prenant, par exemple, quand je regarde les sites qui sont inondés aujourd'hui, l'État peut prendre ces, sites-là, détruire ces sites-là mm-hmm. et euh, au, mieux réfléchir à ce qu'il peut faire au, oh, sein si de, se rappelle euh, les, années précédentes, euh, ici euh, à la commune 5, on voulait vraiment faire de certaines des, des, localités ou bien des, jardins, quoi. Mais quand même, ça n'a pas abouti. Mais c'est ça le problème. C'est ce que je dis. Mhm. L'État doit sévir, en fait. L'État <laughs> doit prendre ses mesures, mhm. doit faire en sorte que les zones qui sont inondées, pourquoi ne pas faire des riziculture là-bas mhm. Pourquoi ne pas aménager C'était un des le, projets, vraiment, je rappelle Moi, je, je pense que c'est mieux. Bah, en mm. fait, en fait ce que tu dis est, vrai. Je crois que euh, dans cette affaire-là, on a tendance à vouloir euh, un peu accuser trop facilement les populations. Mm-hmm. Non, il est de la responsabilité de l'État, n'est-ce pas Non seulement de déplacer les gens et de leur donner des parcelles, c'est fait, mm-hmm. mais de les empêcher de revenir. Voilà. Et voilà là où se trouve le laxisme. Mm-hmm. Voilà pourquoi je vous dis, moi je trouve inconcevable que chaque année, les mêmes gens... Vivre la même situation. les mêmes gens on les déplace, on leur donne des parcelles. Et les mêmes gens. Et ils reviennent. Euh, mais attendez, mais ils ne reviennent pas en cachette. Une maison, ça ne se construit pas en, en, en, quelques, heures. Mhm. Mais non, c'est des maisons en briques, dans les lits du fleuve. Mhm. Mais comment vous pouvez expliquer ça mhm. Mais que font les mairies Parce que le problème, c'est que, en fait, voilà la problématique. Pour le cas de Niamey, les gens, les maires vont vous dire Ah oui, oui, ce sont nos militants quand on réfléchit comme ça, non mais c'est triste. Mais quand on réfléchit comme ça, quand on dit ah non, ce sont mes militants, ah donc vos militants, euh, vous préférez les laisser mourir ou que les maisons tombent sur, sur, vos militants. C'est ça, c'est ça la réflexion. Pas le mais non, mais ils ne pas. Non, il y, y, a trop de laxisme. Non seulement les mhm. mairies ne jouent pas leur rôle, mhm. mais l'État aussi, normalement, doit veiller parce que j'ai dit, tu n'as pas le droit de revenir dans l'ancien endroit puisque tu as une parcelle, tu n'as pas le droit. Mm-hmm. Et comme l'a dit Memouna, l'État devait construire des infrastructures. Mm-hmm et l'État n'a pas conçu les infrastructures. Nous allons revenir vers vous. Alors, Hassan Boukar, vous, vraiment, euh, quelle appréciation, quel commentaire faire ou bien quelle explication donner à, ces inondations enregistrées chaque année ici au Niger je, pense que Mouna Garé l'a bien expliqué. Mm. Euh, je suis d'accord avec Garé quand il dit bon, il faut, s'habituer à le vivre. Hein. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose qui est rare, ça devient maintenant beaucoup plus fréquent, mm. ici chez nous comme ailleurs dans le monde. Il y a quelques années, quand on parle du changement climatique, euh, on pense à des régions au bord de l'océan, mhm. on pense à la mousson en Inde, à certaines <laughs> régions du monde qui sont particulièrement... Mais là, on voit, euh, c'est une réalité dans, nos pays. Euh, rappelez-vous simplement la situation de Harobanda il y a, trois ans à peine. personne n'imaginait des mhm. maisons qui étaient là depuis les années 60 les habitants ont dû être obligés de vider les maisons et mhm. d'aller ailleurs. Donc, je pense que le rôle de l'État, c'est d'amener les populations à prendre conscience du fait que ce n'est pas quelque chose de rare désormais, ça risque d'arriver fréquemment. Mm-hmm. On n'a pas les moyens d'empêcher que ça arrive. Dans ce cas, il faut prendre des mesures. Là, on voit le cas de Niamey. Je mhm. pense que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Euh, il y a peut-être des raisons pour lesquelles on hésite. Les zones inondables, on les connaît très bien. Mhm, mhm. Et ça appelle aussi à la responsabilité des dirigeants. Là, on voit les Mais Justement, il faut faire des digues ou bien... Euh, euh, je veux dire, quand vous parlez des digues, les gens voient les zones autour du fleuve. Mais regardez l'intérieur de la ville de Niamey l'intérieur de la ville de Niamey inondé. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la mairie, dans les lotissements, <laughs> dans les lotissements qu'elle fait, mhm. il faut qu'elle se rende compte que c'est de leur responsabilité. Elle ne peut pas le faire n'importe où et n'importe comment. Mhm, mhm. Il faut pouvoir le faire. Lorsqu'on fait des nouveaux quartiers, il faut songer aux voies d'évacuation. La question de l'urbanisation aussi, ça euh, revient ça, pose un vrai débat. Maintenant, au-delà de la ville de Niamey, regardez un peu des zones comme les régions d'Agadez. Regardez la nature des matériaux avec lesquels ils construisent. Dans ces zones, la, zone de Bilma, coup la zone d'Agadez, si vous avez de fortes pluies qui arrivent, là, on peut aussi vivre vraiment de vraies catastrophes, mhm. non pas parce que les gens on choisit des zones inondables, mais c'est la nature du changement qui arrive qui fait que les gens ces choses. Et vous voyez, avec ce changement climatique, cette année, c'est Zender qui, connaît, qui enregistre euh, autant de dégâts, alors que les années précédentes, c'est la commune Donc, à mon avis, la première chose, mhm. c'est d'amener les communautés à prendre conscience du fait que ce changement-là aujourd'hui, ça peut avoir beaucoup d'impact sur les communautés. Mhm. Euh, est-ce qu'il faut réfléchir déjà dans des zones comme celle du Nord auquel auxquelles je faisais allusion, le type de matériaux avec lesquels on construit, est-ce qu'il faut réfléchir à moyen, à long mhm, terme pour mhm. les changer Dans les zones où on sait vraiment que c'est inondable, là autour du fleuve, il faut forcément trouver la solution. Mhm, C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les gens vivre des catastrophes, sachant bien qu'on a la solution en main. On a la solution en main, il faut absolument trouver les moyens. Maintenant, moi je comprends aussi, hein, euh, si les gens n'avaient aucune solution, dans une ville comme Yamé, avoir un espace où ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le problème de la ville, c'est les questions de caniveau même qui posent le problème. Oui, oui. oui. Mhm. Mais dès lors que la mairie trouve le terrain, met un minimum de choses, c'est vrai, euh, euh, discutez, avec les gens. Hein. Mhm. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont habitués à un espace où ils peuvent facilement accéder au travail, ils peuvent venir au marché, mhm. vous les amenez loin. Donc, vous, rajoutez un coût, un Mais malgré tout, il faut que les gens sachent le risque qu'ils prennent en restant là où ils sont est mhm. beaucoup plus important que ce qu'ils perdent. Et donc, il y a tout un travail. À mon avis, c'est aussi le rôle des médias. c'est le rôle des médias, c'est le rôle des euh, ONG. Mhm. Vraiment, il faut sensibiliser la communauté sur le fait que le changement qu'on vit aujourd'hui, mhm. c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Il faut savoir vivre avec et prendre les mesures qui permettent d'y faire face. Quoi. Les défis sont donc euh, énormes par rapport à la gestion de ces inondations, qu'il s'agisse euh, du côté de l'État, à la population également. Nous marquons une petite pause avant de poursuivre ce débat. Nous passons au dernier sujet du forum de la presse de ce 19 août 2022 les jeunes scouts du Niger ont organisé du 12 au 18 août à Tilaberi la deuxième édition du camp chantier international de solidarité, une rencontre placée sous le thème Paix et sécurité au Sahel, engagement des jeunes pour l'entrepreneuriat et la résilience face au changement climatique. Environ 500 jeunes de 24 pays africains étaient dans la capitale de la région du fleuve du Niger et plusieurs activités étaient au menu, au menu de cette rencontre, telles que des conférences débats, des, des, séances de plantation d'arbres. Environ 3000 arbres ont été plantés, une façon euh, de contribuer à la résilience de la Grande Muraille Verte. Mais Mouna, quelle appréciation faites-vous de cette initiative des jeunes scouts du Niger euh, L'initiative est à saluer, puisque quand on se déplace, les jeunes se déplacent pour aller à la rencontre d'autres jeunes surtout pour euh, cette année la région de Tilabiri, qui, comme on le sait déjà, est à proie à l'insécurité, mhm. et que des jeunes de plusieurs euh, pays s'organisent pour aller dans cette région, dans une partie de cette région, pour pouvoir euh, être en solidarité mhm, avec mhm. les jeunes mhm. euh, de cette région. Moi, je me dis que c'est déjà euh, un plus, c'est déjà quelque chose à saluer puisque c'est vraiment grandiose, c'est énorme. Et surtout que c'est des activités, ces jeunes organisent des activités, des conférences, au développement du pays. au développement donc, du pays. Et surtout que c'est des thèmes, ils, proposent des thèmes en tout cas d'actualité. Il y a l'insécurité, il y a le changement climatique Mhm. il y a la migration. C'est vraiment des, thèmes qui concernent cette jeunesse, mhm. la jeunesse africaine. Et je me dis que c'est vraiment euh, quelque chose, euh, une initiative à saluer et à mhm. encourager et que les partenaires doivent également... Euh, continuer à financer, à financer, Et ces Qu'est-ce que vous pensez du mouvement même du scoutisme mais le mouvement du scoutisme, moi, je pense que c'est très bien, mhm. ce mouvement-là. Mhm. Parce que c'est avant, il y avait le mouvement, mais les jeunes euh, ne savaient pas euh, vraiment euh, à quoi comment faire en tout cas pour intégrer ce mouvement-là. Mhm. Et de, temps à autre, on voit que ces mouvements, ce pas euh, vraiment ancré en Afrique, mhm. c'était peut-être dans les pays européens et tout. Euh, mais aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, vraiment le scoutisme est en train de prendre une grande proportion. Mhm. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont engagés, c'est des jeunes intellectuellement qui sont là et qui connaissent euh, pourquoi est-ce qu'il faut faire le scoutisme Le scoutisme, c'est mhm. secourir. Hein. Mhm. C'est comme euh, faire de l'aide humanitaire aujourd'hui. Mhm, secourir des jeunes, secourir des, populations. Et tu le fais non pas parce qu'on doit te payer, mais tu le fais parce que tu as la conscience qu'il faut aider. Mm-hmm, mm-hmm. Il faut aider, donc il faut tendre la main de temps à autre. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment réel, c'est vraiment réaliste et c'est vraiment de continuer, en tout cas, à, les féliciter, à les encourager à aller dans ce sens-là. Une initiative donc des jeunes scouts à saluer selon euh, Diado. Gare Amadou, c'est la deuxième édition de ce camp chantier international de solidarité de ces jeunes euh, scouts euh, qui arrive à, réunir autant de jeunes euh, dans une région si on sait qu'elle est en proie à l'insécurité Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette. Euh, oui, en fait, en fait le scoutisme au Niger, euh, moi je peux dire qu'il est en train de renaître. Mm-hmm. Et s'il renaît, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de fortuit c'est parce que celui qui est à la tête, du, en tout cas, scoutisme aujourd'hui au Niger, mhm. c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves mhm. concernant la gestion des questions, en tout cas, du Conseil national de la jeunesse. Je parle de, M. Alio Ali C'est vraiment la patte de Ali Omoru là qui, qui, qui est là. C'est quelqu'un de très dynamique. Tout ce qu'il entreprend, il met les bouchées doubles et il a aussi l'appui des partenaires, la coopération luxembourgeoise, les États-Unis, l'ambassade des États-Unis. Il a l'appui qui lui permet de, Je pense que tout, ce qui se passe là concernant le scoutisme, mhm. tout ce renouveau qu'on voit, c'est vraiment à mettre à son crédit. Aujourd'hui, il y a une radio des scouts. Oui, ici à Niamey. À Niamey, mhm. les gens ne le savent pas, il y a une radio de scouts. y a d'ailleurs partenaire euh, du Bien sûr, du, mhm. studio, Kalangu. Il y a donc toute une organisation, toute une dynamique qui est là et qui permet en tout cas de, de, redonner en tout cas vie au scoutisme. Mhm. Et quelque part, ça rejoint un peu le sujet qu'on avait abordé au début parce que le scoutisme et l'humanitaire, c'est pratiquement le même esprit. C'est-à-dire euh, et, euh, faire du bien sans en attendre quelque chose de retour. Est-ce que vous comprenez mhm. Et donc, c'est ce zone de soi. Moi, j'ai dit, vraiment, je, je vois ce, cette régionalisation du, du, du, au Niger et je suis très heureux. Je connais beaucoup de membres qui sont dedans et je, ne cesse de les encourager. Et j'ai dit vraiment, euh, euh, il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Et cette plantation d'arbres qu'ils ont faite, n'est-ce pas, cette sensibilisation des, jeunes sur les questions de, sécurité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mhm. Et je pense que j'invite tous les bailleurs qui le peuvent à aider ces jeunes-là, mhm. n'est-ce pas, à initier des activités qui peuvent en tout cas bénéficier aux populations et faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance dans ce mhm. pays. Hassan Boukara, une centaine, si on peut le dire, de jeunes ont pris part à, cette rencontre. Euh, est-ce à dire que les jeunes maintenant ont pris conscience de la situation du pays, et les défis qui, se posent à la jeunesse nigérienne Je pense que c'est bien que les jeunes prennent conscience. Euh, des défis que rencontre ce pays. Je fais le parallèle entre ce forum qui s'achève à Tilaberi et celui qui commence à DIFA. Il y a un autre qui est Alternative organisé, ah, qui est un forum national aussi des jeunes. À mon, avis, à, mon avis, ce qui est important, c'est quand même d'amener les jeunes à réfléchir mm-hmm. les questions de changement mm-hmm. climatique, les mm-hmm. questions des violences, des migrations, mais on le disait. Les jeunes sont quand même la première cible de tous ces... Il faut qu'ils abordent des questions qui, qui, qui Il faut donc déjà les amener à réfléchir. Et euh, un pays comme le Niger, où la population est particulièrement jeune, dans ce pays. Et donc, il faut absolument amener les jeunes à réfléchir dès à présent aux défis qui rencontrent le pays et à comment ils entendent jouer leurs responsabilités les années à venir. Donc, je pense que vraiment amener les jeunes à réfléchir eux-mêmes, surtout à se connaître, les jeunes des mêmes pays, à se parler, ils ne sont mhm. pas au même niveau d'information. Mhm. C'est d'abord comme ça qu'on construit un pays, mhm. c'est comme ça qu'on construit une communauté de destin. Il faut que les jeunes se sentent qu'ils ont une communauté de destin, ils ont un pays à défendre, ils ont euh, correctivement des réponses à donner aujourd'hui aux questions de violence dont ils sont aussi les victimes. Certains d'entre eux ont été enrôlés dans les mouvements, dans les groupes armés et tout ça. Quand on parle d'immigration, c'est aussi eux qui sont concernés. Donc ce problème c'est avant tout de problèmes qui concernent les jeunes. il est mm-hmm. important à mon avis qu'ils discutent avec leur façon de réfléchir, leur mm. façon de voir les choses. Et euh, comme on le dit, l'avenir, c'est tout de suite. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils doivent réfléchir à mm-hmm. comment faire face à tous ces mots. On parlait du changement climatique aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Les jeunes vont être affectés. La question de l'accès à l'emploi, la question du mouvement de population, du fait justement des changement Sans c'est la migration qui sera... Voilà, euh, tous ces défis vont les affecter, à mon avis. Euh, c'est bien que les autres acteurs aussi les aident à réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut éviter de réfléchir à leur place, créons les cadres, les espaces où on les met ensemble et où eux le réfléchissent. Mhm. On peut toujours apporter une touche euh, de par l'expérience, de par euh, le savoir-faire des gens, mais faisons en sorte que ce soit eux qui réfléchissent mhm. parce qu'ils sont quand même les. Voilà, c'est quand même eux qui sont affectés. Quoi. Oui, outre ce que vient de dire Hassan, euh, vous, Mouna, selon vous, quels sont les vrais défis auxquels, qui se posent aujourd'hui à cette jeunesse nigérienne le, Un des vrais défis, c'est l'employabilité c'est surtout l'employabilité des mm. jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, nous voyons, euh, Hassan l'a dit tout à l'heure, euh, le Niger, la jeunesse est jeune, mais est-ce qu'il faut terminer les études et ne pas savoir là où il faut fonctionner mm. Ou bien est-ce qu'il faut euh, peut-être euh, s'asseoir et attendre l'État, parce que je me dis qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'entrepreneuriat des jeunes. Mhm. C'est déjà, nos pays sont en train d'encourager ce système d'entrepreneuriat des jeunes. Mhm. Donc, c'est vraiment un des plus grands défis, mhm. c'est l'employabilité des jeunes d'abord. Et ensuite, le changement climatique qui affecte la majorité, qui affecte les jeunes, parce que c'est vraiment les jeunes qui sont concernés par euh, ce changement climatique. Et il y a également la migration surtout. La migration, parce qu'un pays, quand un pays ne peut pas retenir ses jeunes, ces mhm. jeunes vont à ah, migration. Oh oui, et ce sont ces jeunes qui vont développer d'autres pays, euh, alors, que leur, oui, apporter à leur pays oui, Hassan, vous voulez ajouter un peu les idées que même on a commencé à mhm. développer. moi, je vois déjà le défi de la formation le défi de l'éducation. Mhm. Euh, pour qu'on ait des jeunes aptes à jouer leur mhm. rôle, il faut qu'ils soient formés. Euh, aujourd'hui, voilà, la situation de l'école est malheureusement vraiment déplorable, euh, mais ces jeunes, il faut d'abord qu'ils aient des aptitudes. Normalement, l'école prépare à la vie. Mhm, L'école prépare à la vie, elle vous donne les moyens de faire face aux défis de la vie. Mhm. Vous parlez de migration. Mhm. Lorsque les jeunes partent dans un autre environnement, ils croisent d'autres jeunes, ils mhm. croisent d'autres compétences. Il faut être capable de se battre, de se défendre, de conquérir le travail même ailleurs. Donc, à mon avis, un des défis les plus importants au-delà de ces formation. C'est vraiment la formation. Et à mon avis, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Oui, oui j'aimerais dire toujours sur le volet de, l'éducation. Mais en fait, euh, on pose la question de savoir quel est le défi moi, je pense que le défi le plus immédiat mhm. aujourd'hui pour les jeunes, mhm. c'est la scolarité dans les zones d'insécurité. Mhm. Vous avez ces jeunes, à cause de l'insécurité, ne vont pas. À mais vous avez des gens en face. Vous avez des gens en face qui disent que l'école est haram. Et donc, il y a des enfants aujourd'hui qui sont coupés du circuit scolaire du cause de l'insécurité, mhm. aussi bien de la région de Tilaberi mhm. que de la région de Difa. Mhm. Comment faire en sorte que ces gens-là puissent rentrer dans le tissu scolaire et continuer leur scolarité Je pense que ça, c'est le défi. J'imagine qu'ils en ont parlé lors de leur camp. Mais vraiment, ça, c'est le défi le plus immédiat. Alors, Garé, pour terminer, ce camp chantier, cette deuxième édition, euh, si on peut le dire, c'est une initiative même des jeunes scouts qui est à saluer. Est-ce que les, les, autres jeunes doivent leur emboîter le, euh, pas pour que vraiment euh, le Niger puisse développer dans le bon D'abord, le, scoutisme, c'est une activité vraiment bénévole. Mhm. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre le sens du scoutisme et adhérer à aux idéaux du scoutisme. Quand on adhère, c'est la porte est ouverte. C'est-à-dire que tous les jeunes peuvent être des scouts. Il faut d'abord aimer l'idéal que le scoutisme a, en tout cas, euh, en tout cas il, charrie. Donc si vous, si vous connaissez l'idéal et que vous vous retrouvez dedans, mais c'est très simple. Mm. Donc je pense que euh, là, le camp, la deuxième édition, j'imagine qu'à la troisième édition, il y aura encore beaucoup plus de monde, beaucoup plus de pays, parce qu'il faut dire qu'il y a mm-hmm. des pays étrangers qui sont venus. Voilà, c'est important, c'est pas mm-hmm. seulement le Nigeria, il y a des mm-hmm. pays étrangers qui sont venus. Et donc, c'est un mouvement qui va continuer de grandir. En tout cas, sur le sol national, on peut compter sur les leaders de ce mouvement-là pour en faire en sorte qu'ils puissent, en tout cas, s'épanouir et se répandre. On espère bien, Gary Amadou, et c'est ici que prend fait donc euh, le forum euh, de la presse de ce vendredi 19 août 2022, euh, qui sera d'ailleurs diffusée sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Je suis une Adam Sirfa à la modération. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, n'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes suivi de tout ça la FADA. Et à partir de 18h15, vous suivrez les samedis et dimanches le forum à Hausa et en Zarma. Au revoir.